Connu l'actualité culturelle, le portrait d'un rappeur journaliste ou journaliste rappeur. Il y aura du théâtre également dans votre émission préférée. Pape est notre invité. Le président de l'association des artistes comédiens du Sénégal vient nous parler de son art et de ses défis. Quoi de mieux que le théâtre national Daniel Sorano pour parler de la richesse du théâtre et comprendre la vie des artistes comédiens. Donc amoureuses et amoureux de la culture, c'est parti pour une nouvelle aventure. L'association des femmes comédiennes du Sénégal a organisé une grande soirée culturelle pour l'émergence Goyane à Gogo, une manière de montrer la forte présence des femmes dans le théâtre. Nous avons été sur place pour faire vivre ce grand événement. formation bi dañuy ay jigéen nekk ci biir théâtre bi di góorgóorlu di ànd ak suñu càmmil yi ku mel ni doyen Sénégal Ndiaye ak ñoom Yankhoba fii ku fi mag rek defe naa ne jox nañ la cër fa séene ànd ak yow pour ngeen tete pour ñoom ñu tete association bi. ils ont préparé tout un spectacle de Ngoyane la musique du théâtre et euh, un panel qui sera introduit par le directeur des arts sur euh, la question euh, liée aux, artistes et leur contribution à l'émergence de ce pays. Donc tout le monde sait que nous sommes en pleine période électorale. très politique, mais bon, la culture aussi est prend une part très active dans le débat national. Nous avons bouclé euh, l'année 2019 avec un programme hyper chargé en musique, mais c'est le théâtre maintenant qui va s'exprimer à travers, comme je l'ai dit, ces grandes dames du théâtre, de l'association. ñu buur la dugal la ci néegu sëy nga sëy te yàlla tax jur fa njaboot gi barkeel jërëjëf jigéen ndax bu dul woon ak jigéen kon àddina du am waaye nag ñun jigéen ñi danoo taataan sunu bopp xam li nu bokk xam la bëgg xam fa nu jëm Restituer le patrimoine africain, tel est le titre de l'ouvrage de Félix Sarr et de Bénédicte Savory, deux universitaires qui ont compris l'importance des objets africains retenus par la France depuis la colonisation. D'ailleurs, 26 œuvres d'art vont être restituées au Bénin en attendant que le Sénégal écrive sa demande de restitution. Suivez. accepte qu'il devait restituer, que les conservateurs des musées l'acceptent, que les gestionnaires des institutions patrimoniales acceptent cette idée qu'il devait se séparer de ces objets, qu'ils acceptent ce que ça dit de l'histoire euh, coloniale, de leur avec les autres, et ce que le retour pouvait signifier dans le fait qu'ils sont héritiers pour un certain nombre d'entre eux d'un geste qui est problématique d'un point de vue éthique. Et c'est ça qu'ils avaient du mal à accepter, parce qu'ils s'étaient installés dans un confort symbolique et ils n'interrogeaient plus cette histoire. Et puisque le temps était passé par là, ils, ils pensaient qu'en fait le rapt avait été naturalisé. Euh, vous prenez quelque chose qui, ne vous appartient pas et vous pensez qu'un siècle après, on ne vous demandera pas des comptes. Et c'est tout ce travail-là sur leur propre histoire qu'ils doivent faire, qu'ils n'avaient pas fait. Et là où ils se trompent, à mon avis, s'ils reconnaissent qu'ils doivent rendre ces objets, la question sera beaucoup plus facile. Et les demandes ne seront pas aussi énormes que cela, parce que, fondamentalement, ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas la question de la quantité. Donc c'est la question d'abord, elle d'abord symbolique. L'artiste-compositeur Vio McFay est de retour avec son nouvel album Non-assistance aux enfants en danger. À travers sa musique, l'artiste conscientise les parents à mieux surveiller leurs enfants, n'est-ce pas Aida Menias Assistance à enfants en danger, l'intitulé du nouvel album de Vio McFay, l'artiste s'insurge contre le mauvais comportement de certains parents envers leurs enfants. Kumbagaolo est la marraine de cette nouvelle réalisation. Les enfants nous observent et que nous devons avoir une attitude exemplaire. Donc il faut faire attention, nous autres adultes, à ce que nous proposons à l'enfant, à ce qu'on lui donne. Nous avons au moins cette possibilité de dire à l'enfant, passe à gauche, passe à droite. Marraine de son album, j'en suis profondément honorée. Je trouve que c'est un grand privilège. Venant d'un grand artiste, d'un si grand musicien comme Biomac l'afro blues, le style musical utilisé dans cet album avec ses huit titres. Les titres, il y a non-assistance à enfance en danger, il y a plus jamais ça, qui est un titre de l'immigration, il y a le greffier, euh, bon, ça c'est pour faire un clin d'œil à la justice, il y a Asalo qui est, qui est, euh, qui est dédié à ma SICAP natale, c'est-à-dire la SICAP, euh, mon quartier natal. Ainsi, Vieux McFay présente son nouvel album, d'une part dédié à l'enfant et de l'autre à la migration clandestine. Tous ces sujets abordés pour conscientiser la société sénégalaise. Nous allons à la découverte d'un artiste rappeur qui est assez particulier. Figurez-vous qu'il pratique en même temps le journalisme. Comment est-ce qu'il arrive à allier les deux Les réponses dans ce portrait. Actuellement, euh, j'évolue au niveau de la presse en ligne, au niveau d'une rédaction qui s'appelle A221.net. Après avoir fait la presse écrite, j'ai commencé à faire un stage d'un mois au niveau du groupe euh, Wolf dans le cadre de la presse écrite également aussi. Par la suite, euh, j'ai eu la chance de côtoyer de bons amis au niveau de Populaire d'abord, qui est devenu ensuite euh, Vox Populi. La musique, bon, c'est une très très longue histoire en fait. Euh, j'ai aimé la musique, particulièrement la culture urbaine qu'est le hip-hop, par le biais de mes grands frères qui écoutaient à longueur de journée le rap sénégalais, le rap français et le rap euh, des USA, United States of America. J'ai commencé le rap euh, en 2010, à aimer le rap réellement. Plutôt au début, via mes grands frères, c'est être passionné d'abord. Mais je me suis lancé en 2010 dans les cristals de rue. C'est là où j'ai chopé le virus présentement quand j'étais en lycée, au collège moderne Jean de la Fontaine. C'est là où j'ai vraiment chopé le virus et depuis lors, voilà, il en est ainsi. Jusqu'ici, je n'ai pas encore sorti de projet parce qu'au début, j'évoluais en groupe. On était en 2012, je pense bien. On a eu à faire un premier projet à BuzzLab, mais finalement, le projet n'a pas abouti. Euh, par la suite euh, que je me suis lancé en carrière solo. Et j'ai démarré ma carrière solo il y a apparemment deux ans de cela, où j'ai pris mes propres initiatives pour me lancer en indépendance, pour vraiment mettre, mettre, euh, en œuvre mon premier projet musical qui sera uniquement un concept tape que j'avais appelé un concept tape parce que ça, ça justifie un tout petit peu mon parcours parcours difficile en fait par rapport à cette carrière de rap qui jusqu'ici est en temps de Puis euh, euh, joué la première partie de concert de buzz euh, en 2012 et à land à l'occasion de l'anniversaire de lui, du, Cannabis, Cannabis Club. Cannabis Club. Super Intellect, en fait, c'était mon blast au début. Hein. Mon blast au début, mais par rapport euh, à la situation actuelle, j'essaie de, me conformer par rapport, euh, par rapport aux mises à jour, je dirais plutôt, aux mises à jour et j'essaie de, d'avancer, de, progresser, d'évoluer, de changer, de, peaufiner des stratégies en fait. C'est la raison pour laquelle je préfère tout simplement souper à la faire la part des choses. Euh, donc euh, c'est un peu très difficile, hein. c'est pas du tout facile. Et d'ailleurs, euh, je ne conseillerais jamais à un, rappeur qui, se lance dans le métier pour lui dire que donc vas-y, lance-toi, développe-toi. Bon, mais je lui dirais par contre, je vais lui suggérer euh, d'abord déjà de trouver un bon métier et ensuite essayer de se, lancer parce que le milieu a ses, règles et ses lois, il y a ses coups bas aussi en fait. Euh, je dirais que d'autres ne le connaissent pas encore, mais j'attendrai le moment propice euh, pour vraiment revenir là-dessus, quoi, en fait. Donc, c'est pas du tout facile le fait de jubiler euh, le journalisme et la musique. Mais moi, j'aime, euh, je dirais que j'aime les défis, j'aime les challenges. Et je me dis que c'est possible. Et je sais, en fait, ce qui m'aide, je dirais plutôt, c'est le fait que je fais tout mon possible pour rester moi-même. Comme on me dit en Wolof, Jambar Amul Déjà, c'est la raison pour laquelle, en fait, moi, j'ai déjà eu à solliciter déjà, dans le cadre de la musique, à la recherche de studio, à la recherche de financement, à la recherche de d'aide en, en, quelque sorte. Mais depuis un certain temps, j'ai pris l'initiative de prendre les choses en main pour vraiment euh, m'autofinancer. En fait, euh, tout ça, c'est sur fond propre, techniquement, mentalement et, et, lyricalement en fait. Ah, ça, ça demande de, la rigueur aussi. Ça demande de la rigueur parce que c'est pas trop évident d'allier deux choses à la fois, surtout le journalisme et, et, la musique. Mais moi je me dirais que j'ai la malchance d'aimer la musique, mais j'ai la chance également de, comprendre ce qu'est le hip-hop. C'est en fait ça qui m'aide et j'ambitionne. Euh, pour peu de temps peut-être euh, pour pouvoir décortiquer, décortiquer, je dirais, et je précise, décortiquer ce qu'est le, le hip-hop ici au Sénégal. Aduna xel jamono pour pour ak ngistal course à la recherche daaray dunia moo leen tiital ñoom lu ñu yenn xew bi seen bopp rek moo leen diisal yow la kan ban entraînement bu wax loolu la C'est jiital seytaane di leen xab sa main Khalatal. Merci Papaï de nous accueillir ici au Théâtre National Daniel Sorano. Alors euh, auparavant nous voyons que le théâtre était l'occupation principale de tous les Sénégalais mais aujourd'hui il est de moins en moins pris en compte. Donc en tant que président de l'ARCOS, comment analysez-vous le théâtre d'hier à aujourd'hui? Euh, bonjour, Awa. Euh, je suis un peu flatté de euh, d'être reçu euh, par votre télévision dans cette émission. Et je suis très à l'aise pour répondre à cette question par rapport au théâtre. Et qu'est-ce qui explique un peu le départ en mandats de, euh, des, des, amateurs de théâtre, comme on dit très souvent, ou des, des, fans du théâtre vers euh, le cinéma ou la télévision. À mon avis, il n'y a même pas de départ. Euh, il faut donc remonter déjà l'historique et l'origine du théâtre. Vous savez que le théâtre est né euh, au 5e siècle, les années 420 avant Jésus-Christ, euh, la Grèce antique étant le berceau théâtral, sous Dionysos qui était le dieu des et qui était célébré chaque année par euh, le peuple grec justement et, et cela se passe sous forme de cérémonies religieuses ou rituelles. D'ailleurs, nous pouvons trouver autour de nous, ici particulièrement au Sénégal, euh, des connotations similaires, justement, par rapport au, théâtre antique, au théâtre grec. Mhm. C'est ce qu'on appelle le dup chez nous, les baunan, etc. C'est mhm. la même connotation. Hein. Mhm. Alors, aujourd'hui, euh, le théâtre pousse des ailes, et c'est normal qu'aujourd'hui, euh, qu'il y ait un lien entre le théâtre, la télévision et le cinéma. Parce que ceux qui évoluent dans le monde du théâtre, ce sont les mêmes éléments qui évoluent dans le monde du cinéma. D'accord, mais justement par rapport à cela, Pape, est-ce que le théâtre aujourd'hui, euh, ou bien le cinéma, n'est pas en train de tuer le théâtre euh, D'autant plus que euh, les jeunes s'intéressent de plus en plus au film. Vous savez, le, théâtre évolue dans l'intemporalité. C'est c'est une activité d'éternité, voilà, qui, qui va dans le temps, qui va avec le temps, qui ne meurt jamais. Mmh. Voilà. ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le, cinéma ne peut pas ne pas tuer le théâtre ni la télévision. De toute façon, euh, avant, avant euh, justement que la caméra ne s'expose devant, du moins que le comédien ne s'expose devant la caméra, mhm. voilà, pour justement jouer, composer son personnage, il l'a fait intérieurement soit chez lui ou sur un plateau de théâtre, ou bien quelque part dans un petit coin où il attend que le réalisateur lui demande de venir justement euh, pour donner sa séquence. Il aura au préalable déjà, euh, dans un petit coin, voilà, mémorisé un peu le texte, et bien intégrer son personnage, voilà, euh, le, déconstruire d'une certaine manière, parce qu'aller au cinéma, c'est déjà jouer, au au cinéma, c'est déconstruire un personnage. Hmm. voyez. Alors, c'est d'autant plus facile chez ceux, des comédiens qui ont un métier, qui ont appris la dramatique dans les règles de l'art, qui sont allés dans des, dans des académies autorisées, voilà, et qui, euh, voilà, qui, qui ce, euh, ce, domaine du théâtre ou, du cinéma ou de, euh, la télévision et les films, les séries qu'on voit aujourd'hui, ils vont avec beaucoup d'aisance parce qu'ils ont déjà un métier vous êtes à la tête de l'association des artistes comédiens du Sénégal. Comment se passe la formation pour les jeunes qui veulent intégrer le théâtre Alors, euh, nous sommes une grande plateforme théâtrale mhm. au niveau national et nous avons des ramifications au niveau de la diaspora. Mhm. Parce que n'oubliez pas qu'il existe, eh bien, euh, Arco de la diaspora. Nous en avons en France, nous en avons euh, en Italie, etc. Mhm. Alors, pour la formation de ces jeunes comédiens euh, qui, viennent chez nous, nous les recevons. Alors, tout récemment d'ailleurs, pour vous dire, l'Arco de, de Thiès, euh, vient de terminer sa formation euh, en faveur des comédiens, au profit des comédiens de la zone. Et c'est alors, j'ai formé des jeunes. j'ai euh, beaucoup de jeunes d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs qui sont aujourd'hui des, devenus des cadres, hein, qui me rencontrent aujourd'hui, qui me disent, mais tiens, est-ce que vous me reconnaissez Je dis, oui, vous vous avez formé au théâtre. J'avais eu à l'époque le sommet des enfants du primaire, les enfants qui étaient au, collège, voilà, sur euh, un, format que nous avions appelé espace et découverte. Où il fallait enseigner le théâtre, et également les élèves de première et de terminale sur la littérature dramatique, voilà, comment, évoluer un texte dramatique vers la La mutuelle de santé des acteurs culturels du Sénégal a lancé le début de prestation des soins. Euh, aujourd'hui, est-ce que c'est opportun quand on prend le cas de El Ajba ou bien Mahoro ou bien même Baipel par rapport à la prise en charge Oui, c'est là où je voulais rebondir. Hein. C'est important cette question-là hum. parce que nous avons été le premier en tant qu'ACOTS à poser cette question il y a de cela une dizaine d'années. Hum. Nous étions allés voir le directeur général de, de e avec le président Gedenbosch pour voir un peu comment régler cette question qui était pénible euh, pour nous parce que nous avons, nous, nous, voyions à l'époque des malades de chez nous, voilà de chez nous, du théâtre, qui n'avaient aucun soin, qui ne pouvaient pas se prendre en charge, parce que, vous savez, euh, les, recettes du théâtre ne nourrissent pas suffisamment les acteurs. Alors, mais c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des procédures administratives à ne plus en finir. Et quand euh, nous avons appris que le président Macky Sall a mis en place ce qu'on appelle CMU, euh, euh, la couverture maladie universelle, et je, suis, je suis allé rencontrer M. Feu, il est décédé à son âme, c'est Mbeng, M. Mbeng qui était le directeur général de l'agence de la couverture maladie universelle. Il nous a posé le problème, il dit mais tiens, le président euh, vient de me nommer à la tête de cette institution-là. Et c'est l'occasion maintenant de, pour vous, et il faut sauter sur l'occasion. Alors, c'est pourquoi j'ai été mis dans ce comité de pilotage, justement pour pouvoir euh, accélérer les choses avec Gawar On a fait beaucoup de séminaires là-dessus. Alors maintenant, euh, quand il s'agit de mettre en place, ça il faut le dire, quand il s'est agi de mettre en place euh, euh, la présidence du conseil d'administration, nous nous sommes retirés, nous, en tant que membres du comité de pilotage. Euh, mais ça a pris du temps avant que les choses ne se mettent en place. Après, on nous avait expliqué que c'était une question de sous, de sièges. Finalement, oh, ils ont eu le siège, avec un peu d'argent pour avancer un peu. Ça a tardé encore, ça a tardé. Les gens étaient malades. On ne pouvait pas où les évacuer. Ça a pris du temps avant que en place. Puisque le vice-président de cette mutuelle-là est un membre de la Côte Nationale. Le secrétaire général de cette, mutuelle-là est un membre de la national. Vous vous dites donc, nous nous sommes réveillés un peu plus tôt que tous les autres. Voilà, c'est raison pour laquelle on les a mis dedans. Mais la mise en place effective hein, et les, inscriptions, 9000 adhérents, vous avez dit, mhm mais ce n'est que, euh, bon, peut-être tout récemment, mais on a accusé beaucoup de retard. Mais je félicite euh, mon ami euh, euh Diouf, waouh, mhm. Bon, c'est qu'il s'est bien battu. Il s'est bien battu. C'était pas évident de mettre les choses en place. Et nous remercions Ndour aussi, parce que Ndour a mis quand même de l'argent. Hein. Mhm. Et le président également a mis de l'argent mhm. pour que cette histoire-là puisse marcher. Et je pense que c'est un c'est bien pour tout le monde aujourd'hui. Un comédien, un musicien, un artiste plasticien, euh, voilà, un sculpteur, tous ceux qui évoluent, un écrivain, tous ces gens qui évoluent dans, le secteur de la culture peuvent aller maintenant s'inscrire. Les bureaux sont ouverts un peu partout. À Blessingor. Mm. Voilà. Mm. Et à Thiès, ils doivent aller à Thiès, je crois que cette semaine, mm. euh, euh, le président et les autres, hein, ainsi de suite. Je pense que Bon, bravo, j'ai dit bravo, bravo, c'est quand même, euh, on attendait ça. Et d'ailleurs, la petite, la petite euh, euh, là où je voulais terminer sur, par rapport à cette question-là. Mhm. Avant la mise en place de cette mutuelle, mhm. nous, nous avions, nous, quand je dis nous, on n'était pas nombreux. à -hmm. Ali Badrabey, Beram on a été les quatre à sortir de nos poches. Mhm. Hein, mhm. qui des chèques ou des, montants euh, montant assez costaud pour mettre en place euh, une institution, mhm. voilà, une mutuelle pour prendre en charge euh, voilà, les, artistes comédiens ou musiciens ou des écrivains qui aient des problèmes pour aller se faire soigner. C'est nous, c'est nous, avant que la mutuelle ne se mette en place. Je répète, ils sont en train de m'écouter. C'est Pape Faye, Biram Dekingaï, Khalid Kassé, le président Ali Badrabey. Nous avions sorti de nos poches pour mettre en place cette mutuelle-là. Les artistes comédiens se produisent plus ici à Sorano qu'au Grand Théâtre. Est-ce que c'est un problème d'accessibilité euh, Les artistes comédiens se produisent et là et là. Sorano, c'est les partenaires de tout le monde. Sorano est une institution étatique, voilà, et je remercie je, bon, euh, le directeur général Saïd, qui est un ami, un frère, un cousin, et voilà, qui fait un, excellent boulot, ça il faut le reconnaître, hein, mhm. qui est très administratif, hein, c'est vrai. Euh, mais les comédiens se produisent à Sorano, ils se produisent au Grand Théâtre. C'est normal. La dernière production théâtrale que nous avons faite ici, sur cette scène de Sorano, c'était une pièce écrite par un Congolais, se trouve être le ministre d'État Henri Jumbo. La pièce s'intitule. D'ailleurs, que nous allons reprendre euh, là, euh, dans le mois de mars, pour l'accompagner à la Journée mondiale du théâtre, mm. à partir du 27 mars. Ça s'appelle Les bruits et le couloir quelles sont les solutions que vous proposez pour mieux valoriser ce secteur euh, Les solutions, il n'y a pas mille solutions, il n'y a qu'une seule solution. Mm. Il faudrait que euh, les institutions euh, pensent à nous. Il faudrait qu'il y ait suffisamment de, moyens mm. pour la production, mm. pour la création. Les pièces qui voyagent qui reçoivent des trophées au niveau international ou des metteurs en scène et comédiens qui sont primés au niveau international ne sont pas meilleurs que, que les Sénégalais. Il faut, il faut mettre des moyens qu'il faut pour que le, théâtre puisse avancer. L'autre contradiction, et c'est important de le mm-hmm. dire, je sais qu'il y a le temps. <laughs> On a mis un milliard et demi. Bientôt, ça va grimper sur deux milliards. Mm pour le théâtre, pour, autant pour moi, pour le cinéma. Pour le cinéma, on attend les productions. D'accord. On a mis 3 ou 4 milliards pour le théâtre. Nous sommes en train de faire feu et flamme. C'est une très grande contradiction. Merci Pape Faye de nous avoir accordé cet entretien. Merci bien. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la culture c'est l'expression du vivant, donc soyez prêts à vivre de nouvelles aventures et c'est toujours avec la magie de la télé, la DTV. l'application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau